de la paire, mais il a une institution pour montrer notre ouverture en tant que collectif. On est allé le voir. Et dans les discussions, il nous a dit, mais vraiment, euh, il a apprécié euh, cette démarche-là. Il a vu le bien fondé et la bonne foi qui nous anime en tant qu'organisation. Et, et tous les arguments techniques qu'on avait pour fonder notre action et pouvoir prouver à l'État qu'il est possible d'aller chercher cet argent-là ailleurs que dans la poche des Sénégalais. C'est là où il dit dans l'émission j'ai rencontré des citoyens bien formés qui savent ce qu'ils disent. Donc il nous a dit, écoutez, moi je suis médiateur de la République. Euh, je vais rendre compte au président de la République. Est-ce que s'il manifestait la volonté de vous rencontrer, vous seriez d'accord Et ceux qui étaient là-bas pour nous, ils ont dit, écoutez, nous, on est une organisation citoyenne qui porte une revendication du peuple, c'est-à-dire que le gouvernement revienne sur cette décision de hausse. Si cela doit passer par rencontrer le président de la République mais c'est tant mieux. L'important, c'est que ce problème soit réglé et que les Sénégalais soient soulagés. Mais on voudrait que pour que le président marque son ouverture et que cette rencontre puisse se faire dans des conditions vraiment apaisées, que dans cette délégation, qu'il y ait Guy-Marius Sagnan, qu'il y ait Ousmane Sarr et qu'il y ait Fallou Galasek. Parce que n'oubliez pas que ces derniers, ils étaient allés au palais, ils voulaient aller pacifiquement pour transmettre cette revendication des Sénégalais au président. Donc, ça permettrait à nos camarades de pouvoir être là et d'accomplir avec nous cette mission-là. C'est ça. Excusez-moi, vous pas Ça, c'est clair. Ça, c'est clair quand même que la position euh, concertée et retenue par Nyon après discussion avec toutes les parties prenantes et que malheureusement, on ne saurait

Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît, oui. Est-ce que vous avez sur ça Je vous dis que Jimmy et les autres ont vu. Je l'ai vu ce matin. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, les gars, Fatima, Fatima. S'il vous plaît. Euh, mais vraiment, c'est pas, les gars, c'est vraiment pas pour, euh, pour, euh, c'est pas par manque de confiance ou quoi que ce soit, mais je la responsabilité voudrait qu'on termine cette conférence en ne tenant pas compte de cette information. Et euh, une fois que nous l'avons officiellement, parce que j'ai eu des échanges avec euh, l'avocat, ok et, euh, après concertation, on donnera à chaud tout de suite une réaction. C'est bon, merci beaucoup. J'en arrive. J'en arrive. Ok. donc, ce que je vous ai donné, ce que s'il vous plaît, laissez-nous continuer, s'il vous plaît. Président, président, il faut les rappeler. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut terminer, s'il vous plaît Parce qu'il y a des questions importantes qui ont été, qui ont gagnées. Est-ce qu'on peut s'écouter derrière, vous Donc, je disais que je vous ai dégagé la position de Nyolank après concertation. Et maintenant, pour aller à l'autre question de, cette soi-disant cassure dont on parle. Il y a une réunion et démocratiquement. Vous savez, la difficulté avec des collectifs citoyens comme Nyolang, c'est qu'on ne sait pas qui arrive, pourquoi il arrive. On ne sait pas qui arrive, pourquoi il arrive. On ne peut exclure personne. Et après, c'est très compliqué de gérer les uns et les autres. Et cette posture a été discutée démocratiquement dans les instances. Il y a eu un individu, il y a eu un individu euh, d'un mouvement citoyen qui a exprimé, lui, la volonté et la position d'aller rencontrer le président Macky Sall. Pour lui, c'était une opportunité d'aller rencontrer le président Macky Sall. Mais comme on est, on est démocratique, on a discuté et la large majorité des, organisations qui étaient euh, partie prenante de cette région-là, presque à l'unanimité, il n'y avait que lui qui était sur cette posture-là. Donc naturellement, on a adopté cette posture que je vous ai présentée. Et je vous dirais, il parle d'une organisation, d'un mouvement citoyen. Murtala qui est là, il est de la même organisation. Même dans cette même organisation, les membres, ils ne sont pas tous d'accord sur sa posture. Murtala, il est là, il est de Guédiawaye il est de la même organisation. Si vous voulez, après, vous pouvez, vous pouvez le prendre. Mais lui, s'il veut rencontrer le président Macky Sall, comme il l'a dit dans son communiqué, c'est un citoyen, hein, il, peut, il peut aller le rencontrer. Mais la position de l'Union Langue, c'est celle-ci qui a été discutée de façon démocratique et adoptée. C'est-à-dire on ne peut pas aller à une telle rencontre tant que nos camarades sont détenus de façon arbitraire. Donc c'est ça pour cette question. Euh, donc Ami il est très clair hein est un collectif citoyen qui est très transparent je pense qu'on avait eu à le dire et on revient euh, pour nos manifestations on fait un budget de la manifestation Y en cotise Frappe cotise Gilets rouges cotise euh, les syndicats euh, les syndicats cotisent tout le monde cotise si le PDS a contribué euh, si, euh, je ne sais pas, Sonko a contribué, ça rentre dans le cadre des cotisations pour les manifestations, point. Mais vraiment, point, il n'y a pas autre chose à dire. Hmm? Donc, euh, voilà, c'était ça, hein, l'argent de Watt. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi on... Hein? Oui, je vous disais, euh, c'est toutes les organisations qui cotisent. C'est le PDS qui a cotisé. Ce n'est pas WAD, c'est le PDS qui a, cotisé, euh, le, FNR a cotisé, euh, FRAP a cotisé, Mar a cotisé, Gilet Rouge a cotisé, Nitoudeg a cotisé, Sénégal notre priorité, tout le monde a cotisé. Donc je ne sais pas pourquoi, pourquoi, et si il faut aller voir les journaux qui mettent l'accent sur ça. Hein? C'est pas, oui, Abdoulaye, non, c'est pas ça. Euh, toutes les parties prenantes ont eu à cotiser et ça de façon très transparente lors de la dernière réunion. On a dit voici le point sur toutes les cotisations et euh, voilà donc on est très à l'aise sur ça. C'est pas ça qui va nous divertir encore une fois. Je, pense que c'est la dernière question. C'est la dernière question. Ah, Surtout votre rencontre avec Abdoulaye Wade. Euh, on sait que le 23 juillet, Yanamar était là. Si Yanamar aujourd'hui rencontre Abdoulaye Wade. Ah, bon, non, non, non, non. Euh, on, revient. Premièrement, premièrement, je dis et je réitère. Je dis et je réitère, on a dit Nyon porte une préoccupation citoyenne, une préoccupation de tous les Sénégalais. Vous avez peut-être un homme politique, moi j'ai un, je ne sais pas. Les hommes politiques, c'est des Sénégalais. Mais pourquoi on dit pour une cause aussi nationale que celle de l'électricité, on dit qu'on rencontre toutes les forces du pays, on rencontre les forces sociales, les forces économiques, on rencontre les leaders d'opinion et on dit les politiciens, vous, vous les partis politiques, vous ne faites pas partie du Sénégal. Mais pourquoi Au nom de quoi Mais pourquoi Si nous, si nous, de bonne foi, on entreprend l'initiative, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être, on dit, on en langue, donc on croise les bras, on laisse les gens venir. Ça aurait pu être la posture. Donc on laisse les syndicats venir, on laisse les forces économiques venir, on laisse euh, les khalifs nous convoquer, on laisse tous venir. Mais du moment où on dit notre posture d'ouverture, c'est d'aller rencontrer les gens, on va rencontrer tout le monde et on l'assume. C'est ça. C'est ça. Premièrement, ok Ça, c'est très clair, quoi. On n'a pas ce complexe. Si vous voyez les gens qui sont là, on n'est pas des gamins, hein. Lui, euh, vous, vous le connaissez peut-être. On est peut-être les moins expérimentés. Ça fait 10 ans qu'on est dans la lutte. Depuis 2011, on est là. C'est des millions, des centaines de millions qu'on nous a proposés et on a refusé. Si c'est des privilèges qu'on voulait et des espèces tonnantes et trébuchantes, on, on serait dans le gouvernement de Macky Sall. Pour la plupart de certains acteurs qui sont là, mais on a décidé d'être là. Ce n'est pas des histoires de 1000 euros ou quoi. Non. Donc vous voyez. Non, non, non, non, non, c'est bien déclaré. ça nous donne l'opportunité. Mais il faut que vous sachiez que Oh, on a une sœur qui est là, qui s'appelle Yvonne Toba, qui vient de la Côte d'Ivoire. Elle est menacée de mort parce qu'elle se bat pour que les populations ne soient pas dépossédées de leurs terres. Et Yvonne Toba, en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes pratiques qu'elle subit. Un pouvoir qui essaie de la diaboliser, qui essaie de la faire passer pour quelqu'un qui est manipulé par l'opposition. C'est les mêmes pratiques au Congo, c'est les mêmes pratiques un peu partout. Et ici aussi, c'est les mêmes pratiques. Ce qui se dit, allez voir la presse qui l'écrit. Donc c'est ce que nous avons à dire en toute responsabilité sur ça. Ça ne nous ébranle pas. Les gens, ils ont l'habitude de dire que les Sénégalais, quand ils sortent une fois, ils ne sortent plus. On a vu avec Nyolan qu'il y a eu le 13 et on a vu qu'il y a eu le 10 aussi. Et il y aura, Inch'Allah, en fin janvier, une grosse manifestation nationale un peu partout et vous verrez. Donc ce n'est pas ces histoires-là qui vont nous divertir, mais il est important d'en parler et d'éclairer la lanterne des journalistes que vous, êtes pour que les Sénégalais bien. Bien, bien, bien, bien. Donc pour la dernière question, nous, notre responsabilité, c'est d'aller voir tout le monde. Après, vous verrez qu'on continue sur notre chemin. Après, qui est venu, qui n'est pas venu, on ne le gère pas. On est dans un combat citoyen. Et je pense que la plupart de certaines organisations, que ce soit les forces syndicales qui étaient là, j'ai vu les boulangers, j'ai vu tout le monde, j'ai vu aussi des organisations politiques qui étaient représentées. L'important, c'est le peuple qui était à cette manifestation, c'était le troisième âge qui était là, c'était les femmes qui étaient là, c'était ces jeunes qui étaient là, qui sont pour battre le macadam. Donc merci beaucoup encore une fois. Donc c'est Zumaru qui va faire. c'était encore. Euh, président, la première question c'était sûr. La rencontre avec Macky. Ok. D'accord. Donc, euh, <clears throat> laaj bu njëkk bi mooy ci. daje bu ñu wax ne que ne président Macky Sall dafa bëgg a dajeeg collectif ñoo lànk ñun dañu wax ne que ne bu ngeen xoolee dañoo wër di dajeeg ñëpp dajeeg nañoo ñu jiite sendikaa yi man syndicaliste la syndicalisme ngeen ma xamee ñu ngi nii tey ci ci ci ñoo lànk dajeeg nañoo ñi nga xamante ne ay mouvement citoyen la ñuy jiite dajeeg ñi nga xam ne ay parti politique la ñuy jiite. mais ci biir daje boobu ñu ne nag aussi ñun tëjuwuñu c'est-à-dire képp nga xamante ne yaakaar ne mën nga indi dara pour que li ñuy yootu ñu jot ko maanaam wàññite courant bi mën nañ la seeti waxtaan ak yow moo tax ñu ne nañu seeti médiateur de la république ki nga xamante ne bu ñaari kuréel wala ñaari nit jotee ci réew mi moom lañu ñu pour mu dox jàmm ci diggante bi yàlla dogal na kooku nag APR la bokk xam naa bu fekkonte ne ñun dañuy xool ku ñu daje ku ñu daje defe ñu duñu daje ak Alioune Badara bi ñu dajeeg moom mun nañu bi mu ñu dégloo ba pare ne ñu est-ce que pare ngeen bu ma doxee tànku jàmm ngeen dajeeg njiitu réew mi. mais wàññite courant bi xam ngeen ne bu président Macky Sall toogoon tey ne courant bi wàññi courant bi day wàññeeku parce que mun nañu wax ne dogal bi ci moom la jógee ñu ne ko mais ñun bañu ñu président Macky Sall mais daje boobu dafa am lu ko jiitu. li ko jiitu mooy suñu camarades yi nga xamante ne dañ leen a jàpp ci jàpp su dul naka su dul noonu nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër weesu fa sax ba nekk ne délégation bi dañoo bëgg ñoom ñu bokk si te bu ko gii mënee jiite délégation bi sax ñun moo ñu gënal waaw mais lu tax nag ñu ne ñoo lànk dafa bëgg ñu wàññi courant bi te ñoo lànk warul accepter bu amee ay conditions am dajeeg njiitu réew mi moom kay bu dee bëgg na dajeeg ñun na nangu nekk ne bàyyi naa gii ñeneen ñi ñu ñibbi seen kër et pour que mon, pour courant bi dinañ parce que tout simplement solution wàññi courant bi je la Je position euh, je crois que moi, je suis yi ñuy wax tasul Je tasul xam nga ay magum jëm fi Je ne li ñuy yëkkati moo ëpp doole nga ne ñoo lank esprit la c'est-à-dire dafa juddu ci xélu sénégalais ñun buñu bayi won suba sax ñeneen ñoy génn na ñom ñoo lank donc képp ku yaakar né mën nga ko tass da ngay da ngay nax sa bop rek lén nak lañu bëgg moy nga xamanteni ne xam nañu lii seen xeex la bu amé suñu biir ku génn taxaw di wax te kuréelam am keneen ku fi nekk ni keneen engagé wu len lén rek lañu mën xamni ni ko xamanteni dafa joom ñu nangul ko njuumte mom te ëlëk bu delloo ci xelam mais ñu continuer dox bi

mais dafa am préalable condition boobu bu ko président nangoo rek tey si ngoon sax xam naa ni pare nañu pour dajeeg moom bu day bàyyi nañoo ñu ñibbi seen kër euh, mbir mi nag dégg naa ñuy wax waxu ñan ñoo nekk ci ginnaaw ñoo lànk <coughs> defe naa ne ñi fii ñi fi toog leneen mun na leen yëngal lu dul montant yii ñu wax am na ñu fi jiite ay kuréel yoo xamante ne ay millions lay jot par weer te ay ñi ci bokk ñoo koy cotiser est-ce que def ngeen ni ay ñaar fukki junni ay téméré junni mën nañu fëkk mën tane ñoo bokk réew mi kii professeur d'université la il a rendu de ministre defe nga ne dina bokk ci kuréel boo xamante loolu mën na ko fëkk ñii dañu yore seen métier ay étudiants lañu donc bu doon sax dañu wax ay milliards waaye ay montants yoo xamante ne diw moo leen finance nag aussi nañu waxante dëgg ñoo lànk dafa am syndicat am ay xam société civile lañu bokk am ay parti politique am coalition

bu fekkente ne ñun sax ñoko ko nangu ñu am manifester wara soxla ku nek contribuer mu ñew def ci as ñu ne déedéet diw warul joxe déedéet diw bobu day joxe par que xex bi la bokk te yeen journaliste bu ngeen ci duggé sax suba dañ leen laaj ngeen tek yeen aussi indi sen nat donc lool mom moy esprit ñoo lank te inshallah rabbi dañ koy wéyel nak manifester yi ñu am yépp képp ku bok ci ñoo lank so amé ce tuut indil pour ñu mëna a xex bi ñi xex parce que amna fepp fu ñu wara dox ci ci biir réew mi euh, beneen bi

koo xamante ne xeex bi ñu soxal na la nga jóg ànd ak ñun te ca bés ba bu dee dama gis dañoo gis ay junniy junniy sénégalais mu am fukk ak ñaar wala fukki leader yu ñëwul te seeni ndaw ña nga fa mais yaa xayti loolu kenn nu wax ne que ne parti politique newuñu fa waaye nag bu fekkee nit ñi dañoo yaakaar ñoom faaw ñu toog loolu nag dañu war a xam ne esprit ñoo lànk mhm. dafa judd te leneen mooy gis leneen mooy doxalinam mhm. xam nga xam nga xam nga je crois que sax loolu ngeen ñu waroon reprocher gis nga bu doon dañoo bàyyi ñoom ñu ñëw si ñun da ngeen di ñu wax ne que ne ñii dañoo bëgg récupérer wala ñii dañ leen bëgg puus ci ñoom la ñuy def mais ñun ñoo tànn dem seeti leen wax leen ne dox bi ñuy dox ay politiciens ngeen naam mais ci askan ñun yootuwuñu wuñu pouvoir si ñoo lànk yootuwuñu wuñu pouvoir daane luñu pouvoir lenn la ñuy yootu mooy courant bi mag Macky sàll ak nguuram yokk mu wàññi ko japp nak su non bi mu jappé doomu rew mu bayil ñibi seen kër ñu dem séti len nak ta séti bobu yàqul dara ci démarche citoyenne bu ñoo lank et bu dañ koy wëyel gis ngeen né nee nañ dañuy kilifa diiné yi seeti kilifa aada yi képp ko xam yaakaar ni war nga mëna bok ci xeex bi dañ na séti je crois que ñoo lank amul jafé jafé bobu au contraire sax dañ nekk ne esprit bi ñoo lank am mom moy esprit wane sénégalais que ne lépp lu ñu mëna a féewale nañu xam ne réew mi ñun ñëpp ñoko soxlaa na ñëpp jóg pour àndandoo pour dem yóotu ji je crois loolu moom mooy esprit ñoo lank wasalaam mais nit ñaa ngi koy laajte de man waa rédaction dañu ñoo seetaan Lutte TV euh, conférence de presse ñoo Nous avons sànq ci question mais confrère bi dafa juum di qui ne sont pas encore libres mais la chambre d'accusation a été examiner le 21 pour nous faire un naka lay jàppande ak et à très prochainement aussi sur euh, d'autres activités euh, de Nyon mais aussi euh, de l'actualité politique ak lépp li nga xamante ni soxal na leen. Euh, yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre Mbour TV euh, xanaa ñu leen di wax ne bu leen fàtte di abonné wu ci page Facebook bi di Mbour Guédé ak ci chaîne YouTube bi di Mbour TV boo demee di ngeen ko gis ak euh, logo bi aussi bu leen fàtte ne aussi di suivre ci YouTube ak ak ni ñu ko waxee Instagram boo demee ci Twitter bi di ngeen fekk Mbour Guédé waaw comme ni ma leen ko waxoon léegi nag xam naa ne. Euh, sànq malentendu la rek question boobu nga xamante ni suma confrère posé na ci euh, li sabab euh, li nga xamante ni mooy libération bi Guy Marius Sagna bi c'est pas encore acté waaye xam naa ne justice mi ngi doxal dossier bi pour ñu jublu ci waa kay jërë ngeen jëf di leen jox rendez-vous très prochainement incha allah ci yeneen actualité